ce que vous dites là, je pense que cela va dans la vie d'un parti, surtout d'un si grand parti aujourd'hui qui gère le pouvoir. Euh, l'opposition, vous le savez, il est dans son rôle. Et donc, euh, aujourd'hui, vous avez vu que c'était une manifestation de ralliement euh, de, militants de première heure qui sont venus d'un grand parti qui est le PS et qui était avec des d'éminentes personnalités dans le PS. Aujourd'hui, ils ont laissé leurs camarades dans la rue ils sont venus nous accompagner parce que, croyant à la vision de son excellence le président de la République, pour dire aujourd'hui que euh, le chien à aboie, la caravane passe, les opposants ont besoin de s'agiter, mais nous sommes résolument engagés vers euh, une piste qui doit nous mener vers le Sénégal de l'émergence. Et je pense que c'est ça qui compte. J'ai dit que les ne peut pas manquer dans un si grand parti qui gère le pouvoir où les enjeux sont nombreux, mais ces querelles ne sauraient être une contradiction externe. C'est la vie d'un parti au pouvoir qui est ainsi faite et ces querelles sont bien gérées à notre niveau. Je pense que quand l'intérêt général sera devant nous, tous ces querelles seront tues. Comme l'a si bien dit M. le Président Maxal, il va siffler la fin de la réclamation, appeler tous les responsables à terre leurs intérêts personnels, parce que comme vous le savez, nous allons vers des échéances qui constituent un enjeu pour les populations. C'est les élections législatives. Et dans ce sens, chaque militant, chaque responsable et leader est tenté de se positionner par rapport à cette liste. C'est tout simplement ce qui anime ces tensions, ces contraintes dont vous parlez. Mais l'essentiel nous unit autour du président de la République. je pense que les querelles ne sont pas dirigées contre la personne du président de la République c'est contre des intérêts euh, parallèles entre camarades de parti. Et je pense que quand l'heure sonnera, nous irons vers l'essentiel. Non, cela nous ne nous aimons même pas. mais je pense que le fait que l'opposition parle d'une cohabitation, c'est un rêve. Ils ont besoin de, rêver. Mais quand il fera jour, ils se rendront compte que la majorité appartient à la paire, à la coalition Beno Bokoyakar, mais aussi à M. le Président de la République, Macky Sall. Ils ont beau crier, ils ont beau euh, rêver, je pense que euh, le verdict du peuple sera déterminant au soir du 30 juillet. Non, je pense que c'est une euh, union de façade. Aujourd'hui, si vous voyez la configuration de cette coalition, c'est des gens d'abord qui ne font pas confiance parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un leadership affirmé dans ce groupe-là. Ils essaient de se tromper mutuellement et à la dernière minute, chacun va essayer de se positionner. Et c'est là où nous les attendons. Je pense que s'ils arrivent à relever le défi, de faire confiance à un seul leader qui va les conduire, aujourd'hui, s'ils parlent d'un vieux qui a fini de faire euh, ses mérites au Sénégal, en l'occurrence l'ancien président, pour l'amener à venir diriger ses listes, c'est parce qu'ils n'ont plus d'espoir. C'est parce qu'ils n'ont pas aujourd'hui une référence à laquelle se fier pour conduire leur liste. Et c'est dommage pour l'opposition.

ba ku nekk xam sa bopp président de la république moom mi nga xam ne tey jii moom lañ jox cëgal guy gi pour mu tànn ña ko doy parce que xam na ñëpp ñi nga xam ne tey jii war nañ mën a représenter peuple bi suñ demee ba liste boobu génn yaakaar naa ne dootu leen dégg coow ñëpp dañ woolu président si choix am topp si ñoo ñu nga xam ne tey jii ñoom lañu tànn pour ñu diriger liste APR. waaye li am mooy ñu ngi naan opposition bi ñu ngi beru di am ay yëngatu ñuy def waaye am

waaye yaakaar na suñ togee ba ca ngoonu 30 juillet ba résultat yi génn su ko defee dinañ yeewu. waaw xam nga opposition bi soo xoolee ni mu tëdd fi ñu toll nii euh, nekk loo xam daf ñuy jaaxal euh, suñ noppi woon sax day jaaxal nit mais seen yëngatu bi tamit euh, maanaam kuy bugg dee da ngay te soo xoolee amuñu organisation boo xam ne dañoo wóolante seen biir tey dafa mel ni dañuy naxante seen biir. ndaxte ba tey jii mënuñu la wax ne kii mooy diriger opposition bi ba ñu tàmbalee dajaloo di waxtaan di diisoo ba léegi amul kenn tey mu na la wax ne mun na jiite opposition bi dem nañu ba jaaxle ne dañuy woywaat ancien président pour mu ñëw jiite liste boobu mag moo xam ne tey jii dañ ko war a bàyyi mu noppalu gannaaw ba mu liggéeyee réewam. donc jàpp naa ne fi ñu toll nii euh, loolu mooy problème bi suñ demee ba war a tànn kenn ngay soog a xam ne ñii dañ doon naxante seen biir ñii. lañ doon wut naan dañu ànd booloo nekkate yow nekkuñu ànduñu ku nekk day jéem a nax sa morom pour jiite ko te su eggee si jiite foofu lay cool di am te si loolu lañ leen di xaar su leen neexee nag ñuy gënt di nax seen bopp naan euh, dañuy imposer cohabitation assemblée nationale mais yaakaar naa loolu xel sa mënu ko xalaat fi ñu toll si biir Sénégal. coowoo loolu ngay wax nekkul coowoo bu ñu jëmale si partie bi nekkul menace si partie bi nekkul coowoo bu ñu jëmale si dirigeant parti bi. si président parti bi mais dafa nek coow lo xamné ne ay militants la parce que ku si nekk yaakaar nga né ligéel nga président Macky Sall lu day ni war nañ la fal si liste député yi war nañ la fal ngir nga ligéel sa askan bi nga xamné tay tey ñolo ñolo ñolo ñolo la ñoo la rek moy indi coow yi waaye suñ demee ba ku si nekk euh, xam sa bop gannaaw ba ñu joxee confiance président Macky Sall né ko tànnal ñu mu génne liste bi su ko déggee yaakaar na ñëpp dañ noppi. gëm ko wóolu ko ànd ak ñi nga xam ñoom lañ def si boobu liggéey ñoom ngir parti bi gagné ndax loolu mooy njiitu njëriñu réew mi merci